Depuis ce matin, nous étions sur le terrain pour remettre euh, donc, des produits détergents d'abord au gouverneur en tant que chef exécutif régional et donc celui qui coordonne aussi le comité de, euh, gestion de la crise. Euh, nous étions allés lui remettre 20 cartons de savon liquide, 20 cartons de savon et 20 cartons haute de savelle. Mais avant, le docteur avait remis aussi au niveau national sa modeste contribution. Donc, comme vous le savez, le président avait demandé à ce que donc, euh, la population vienne en aide la nation sénégalaise. Et étant conscient de cela, le docteur était parmi les premiers à aller remettre donc, une forte somme au niveau national. Euh, après donc, la remise des produits au niveau donc, du, euh, de la gouvernance, on est allé, euh, donc c'est certains DARA, pour leur remettre des denrées de première nécessité. Euh, en ce moment-là, les courses les plus vulnérables, ce sont les talibés. Euh, conscient de cela, il a jugé nécessaire aussi d'apporter un soutien, surtout un soutien donc, au, comment dire, alimentaire donc, aux Dara. ensuite, on est allé voir les deux ICP, c'est-à-dire l'ICP de Medina Mbaba et l'ICP de Medina Bay, pour remettre à chacun aussi, donc, pour remettre à chacun son lot, vraiment qu'il existe minimum. Euh, étant donné qu'il est fils de Medina Mbaba, responsable politique ici à Kaolack, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire venir en aide de la population, venir au sauver de sa population au moment opportun. Le euh, docteur aussi nous avait chargé de remercier en première ligne le gouverneur et son équipe, remercier aussi les autorités sanitaires et vous remercier vous en tant que journaliste parce que vous êtes en train de mener un travail remarquable pour lutter contre donc cette pandémie. maintenant ni nga ciy dugalee sa loxo lii geste la mais su fekkente ne bii def nga lii parce que mooy wane ne yaa ngi xalaat ñeneen ñi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw wala dara te loolu boo ko defee def nga li nga xam ne loolu la ñu la la sant parce que tey jii xëy na ñoom mënoon nañ ko def feneen mais suñu xalaatee fii Medina Baye ñëw def ko fi nga xam ne tey jii nii poste la boo xamante ni bii ku nekk danga fay dangay ngay jóge koo feneen di fi ñëw suñu amee koo xam ne ñëw nga dimbale suñu pour lu ñu raxasoo suñuy loxo pour lu ñu euh, fagaroo ci li nga xamante ne bii mooy feebar bi nga xam ne dafa lëmbee àdduna donc je pense que képp koo xam ne def nga loolu ak ku ci jàpp jàpp nga ci li nga xamante ni bii loolu mooy li ñu la li ñu la sant ngi sensibiliser ñu ngi wax secrétaire exécutif bi wax na ko léegi bërigo baa ngi ni mettre na dispositif boo xam ne képp ku ñëw balaa ngaa dugg dinañ la wax nga raxasu dinañ la jox tamit ay conseil ba nga xamante ni bii nii yow di nga xam li nga xam ne moom moo la war ci prévention bi ci turu kilifa yi ci kaw remercier docteur Alioune Diouf ci geste bi nga xam ne def na ko mu nekk geste bu am solo

salaamaaleykum wa rahmatullah